Messieurs, dames, les, les, journalistes, voilà, nous vous remercions déjà de votre euh, présence. Alors, c'est l'intercoalition Yem Askambi et Walou Askambi, qui vous ont convoqué aujourd'hui, déjà pour échanger un peu avec vous sur la situation politique, en tout cas particulièrement au niveau de Ziguinchor, et sur la situation de nos campagne en direction des législatives du 31 juillet 2022. Alors, je suis le représentant du comité électoral Yévi et Walou au niveau de la commune de Ziguinchor. C'est une occasion pour nous ils ne sont pas présentés, bien sûr, mais quand même, il faut le faire. Nous présenter nos candidats, il était question qu'ils soient tous là. C'est toujours bon de le faire. Même y a ils ne sont pas présentés, ne sont plus à présenter, en tout cas dans ce pays-là. Pour certains, en tout cas, à l'Union sont plus à présenter, mais ils le faire pour s'appliquer à la tradition. Alors, nos candidats sont ici présents. Il y en a qui sont malheureusement absents pour des contraintes objectives. Mais on parle là quand même de on, vous les présentera quand même. Alors, parmi les candidats, celui qui va s'entretenir avec vous, qui va échanger particulièrement avec vous, pour faire simple, sera le seul d'ailleurs à prendre la parole. Il s'agit du, du, frère Guy Sanya qui est la tête de liste de notre intercoalition au niveau département de Ziguinchor. Guy Maris n'est pas à présenter, ni ici, ni à euh, ce qui s'est passé durant la... Euh, le frère Guy Oulimata est une native de Ziguinchor qui est née ici, qui a grandi ici et qui sert ici. C'est une enseignante qui sert ici et qui est aussi présente sur le champ social. Elle est présente sur le champ social, tout le monde les connaît dans les daïras et un peu partout. Oulimata n'est pas présente, mais elle est quand même là, elle est devant vous. Elle fait partie des candidats de l'intercoalition NPO e et Wallou. Alors, les, suppléants ne sont pas là. Parmi eux, il y en a un, Abdou Sané, que vous connaissez, qui a voyagé, il n'est pas encore de retour. Il est le suppléant de, Guy. Il y a aussi euh, Madame Marie-Binta Badi qui est empêchée, qui est la suppléante de Oulimata. Mais nous avons la chance d'avoir une cinquième candidate euh, qui fait partie de la formation Tahaou et qui s'est retrouvée par le fait de l'injustice de Macky qui a calé notre liste de titulaires. Finalement, la liste des suppléants qui a remplacé cette liste de titulaires-là Parmi les, les, membres qui sont présents au niveau du service des, des, suppléants, il y a une sœur qui s'appelle Fatou Sanyan, qui est de au Sénégal, qui aujourd'hui se retrouve parmi les remplaçants, en tout cas, se retrouve la liste des remplaçants qui se retrouvent la liste titulaire. Et en sixième position, très bien placée en sixième position. Donc elle a toutes les chances, de toutes les façons, nous avons l'ambition et l'intention de faire tous nos, tous nos candidats. Mais en tout cas, en termes de chance, je crois qu'elle a de très bonnes chances de, de passer. Elle est sixième. Elle aussi, c'est les responsables de Tahaou qui l'ont d'urgence appelée. Elle a été obligée de s'y rendre parce que de toute façon, ses, appels et ses offres ne se déclinent pas. Elle s'excuse, mais elle est de tout cœur avec, avec nous. Alors, nous avons démarré euh, la campagne il y a 4 ou 5 jours avec de très grandes activités. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et cette conférence de presse fait partie justement

Euh, journalistes organe de presse qui est euh, conférence de presse euh, en direct sur les différentes plateformes sur les réseaux sociaux jamono ñu di toutes les sœurs tous les frères suñu camarades qui nga département pour conférence de presse pour euh, La euh, conférence de presse bi euh, euh, ñu sénégalais yi euh, donc dimanche 17 juillet à partir de 15 h euh, la ñu nar amal ñun euh, intercoalition hier askan wi ak wàllu benn activité de xam nous mu ngi terrain Diatir continuer pharmacie dem Insa Ndiaye continuer euh, marché Saint-Maur jëm rond-point Bellali continuer ba préfecture rond-point Jean-Paul II ñu daanelee ci rond point Aline Sitoé Diata. wax naa fi ñaari mbir yoo xam ne bu ngeen ko déggee war na am lu mu leen gannaaw suba mooy dimanche mooy le 17 juillet 17 juillet daf ñuy fàttali 17 juin il y a un mois président Macky Sall le président néocolonial Macky Sall avec son administration le ñu tere manifestation fu nekk ci Sénégal rawatina fii ci Ziguinchor fii ci Casamance le 17 boobu la ñu bëgg a jëmmal la ñu bëgg a pour naxarlu recul démocratique bi mon xam ne moo mandargal fukki président Macky Sall depuis bi ko 2012 recul démocratique boo xam ne bokk na ci li ko rey doomu Sénégal bokk na ci li ko mandargaal torturé doomu Sénégal Sénégal bi nga xam ne dafa signé convention internationale contre la torture contre les traitements inhumains et dégradants contre les traitements cruels état du Sénégal boobu mooy jàpp François Mancabou noot ko torturer ko ñenn ñi naan damm colonne vertébrale bi ba mu mujjee faatu yàlla na ko yàlla ñu yàlla na ko yàlla xaree àjjana ñuy jébbalaat suñu jàll ci Clémence Coly jabaru François Mancabou ci mbooleem mbokk François Mancabou ci mbooleem communauté euh, euh, Mankagne ci mbooleem communauté casamançaise mais daanaka Sénégal moo ñàkk ñu ngi jébbal suñu jàll askanu Sénégal sépp mais état néocolonial du Sénégal ak président néocolonial Macky Sall bi nga xam ne li leen mandargaal bokk na ci Idrissa ce 17 juin là ndax ci manifestation ci Sénégal le 17 juin manifestation ci malgré l'interdiction manifestation bi egg fi mu egg muy Diatta photo yi nataal yi vidéo yi merloo président Macky Sall mu joxe ordre gendarme yi ñenn ci gendarme yi appliqué ordre illégaux yi tiré à balles réelles rey suñu mbokk Idrissa Goudiaby yàlla na ko yàlla yéen suuf woyof ci kaw yàlla na ko yàlla xaree àjjana ñuy massawuwaat nga xam ne ñoom ñooy mbokk Idrissa Goudiaby tamit 17 juin boobu

te xaw ma ay objet contendant ay paaka xaw ma ay sable ci lañ la reyee accident mort mort mort xaw ma naturel xaw ma mort accidentel mort accidentel donc loolu la ñu wax ne mënuñu campagne ñaar fukki fan ak benn jëm ci élection législative lu mel ni torture pour wan leen ne torture ni mu bonee ci àddina torture dafa bokk ci crime yi nga xam ne du mës a du du mës a am prescription maanaam tey jii am na loo xam ne boo ko defee jalgati yoon bu defee juróomi at bu defee ñetti weer bu defee juróom-benn weer kenn mënatu di si topp mais torture fii ba yaa ngi dund yow boo gën a mutu de waaw wala kon nga nekk président à vie mais fii ba yaa ngi dund. loolu du mës a prescription maanaam mun nañ mun ci topp boo deewee sax ñu def projet sa ginnaaw donc ce sont des crimes imprescriptibles dans le crime contre l'humanité la loolu rek pour woné naka la adina bi gàkkalee sibé li nga xamné mom lañuy la ñuy torture mais torture bobu nonu la torturer le 17 juin bi passé fukki nit ak ñeent doomu Casamance fii ci li nga xam ne moom mooy euh, gendarmerie bu Ndéba fukki nit ak ñett bokkoon na ci euh, suñu mbokk suñu xarit ki nga xam ne mooy coordonné Pastef ci euh, commune bu Enampol fii la ñu nekkoon ku nekk naan ana Rodrigue ana Rodrigue kenn xamul fu Rodrigue nekk mu ne may ci àddina bi disparaître waaw Euh, mais nous avons affaire à un état voyou nous avons affaire à un banditisme d'état néocolonial et qui utilise le mensonge d'état pour cacher ses crimes les plus crapuleux les plus abjects les plus infects ñu nous mënuñu campagne 21 jours Nous sommes dans le xewul Nous Sénégal nous le passé mu sommes dans le Sénégal nous sommes dans le Sénégal.

14 14 de mars 2021. Fatil suñu mars 2021. Fiji, Kazamas, gendarmerie Néma encore lui torturé 14 jeunes le 17 juin le 18 juin le 19 juin le 20 juin le 21 juin le 22 juin 2022 le 22 wala le 23 ñu yóbbu ñu kaso pendant 5 jours ñu leen di torturer biir gendarmerie ne ma toj seen bopp te kenn faju leen même gendarmerie boobu moo wat suñu ay sœur suñu ay jigéen suñu ay jabat daaw en masse 2021 lors des événements tragiques et dramatiques ah non ça ne peut pas passer par perte et profit mënuñu continuer comme ça mais nii rien ne se passe au Sénégal nous ne reconnaissons plus notre pays D'abord, Alpha Blondy les salauds ont mis le feu à mon paradis il parlait de la Côte d'Ivoire les salauds ont mis le feu à mon paradis si rien n'est fait d'autres salauds vont mettre le feu à notre Sénégal Nous la nous en la mémoire de François Mankamou, en la mémoire de Idriss en la mémoire de Alexis Abdallah en la mémoire de nos 14 martyrs, mais également en hommage à tous ces Sénégalais qui, entre Dao à mais sont handicapés à vie. dit parmi les nga dañ leen nous événement massif

on ne peut pas les oublier. Non, ils sont une partie intégrante de notre lutte. dañoo bëgg wan Sénégalais le 17 juillet ñuy avons beaucoup bépp doomu Casamance doomu ce 17 juillet là à partir de 15 h à partir du terrain Tchatir ci itinéraire bi nga xam dañ ñu illégalement et illégitimement interdire 17 juillet nous marche nous def une campagne ba rond-point Aline Sitoé Diata nous continuer suñu campagne bi en la mémoire de tous ces gens-là de tous ces patriotes il faut que sénégalais yi xam les victimes yi yàlla def génn ñu Adina, ñu si sante même bu y am nañ traumatisme un handicap à vie famille famille qui nga xam ne ñoo mais de manière atroce de manière inhumaine dégradante

waaw bu ñu nekkoon ci état boo xam ne day wax dëgg sax rob nañ yàgg na Idrissa Goudiaby rob nañ yag na ki nga xam ne mooy euh, suñu mbokk Alexis Abdallah Diatta vous vous imaginez depuis le 17 juin ñu ngi waajal le 17 juillet un mois ci doomu jullit ci jullit ba léegi robuñu la ndax lan des mensonges d'état alors dañuy wax ne la politique n'exclut pas d'avoir un cœur la politique n'exclut pas de porter, de prendre en charge les drames et la tragédie de son peuple. La politique n'exclut pas. D'accord D'avoir des sentiments, d'avoir des émotions. C'est du rôle et on veut l'exprimer. Ce 17 juillet-là, à partir de 15h, nous faisons tel, nous mobilisons. Terrain à partir de 15h, je me rends point à l'Institut pour

Euh, c'est le régime criminel, parce que c'est un crime du président Macky qui a assassiné François Mascafou, qui a assassiné Idriss Boudjabi, qui a assassiné Alexis Abdallah Diatta. Marche bi le le caravane boobu le 17 juillet 17 juillet comme 17 juin na gagner cette seen kason na pouvons gagner cette màggit Waouh!

dafa doon romb manifestation ñu jàpp ko diw déposer pour informer manifestation ñu jàpp ko wala ñii dañ manifester yore ñu daan yore dara en fait euh, on a tiré à balles réelles sur eux donc caravane bi concert de concert de casserole lay doon waaw concert de magnit lay doon ñuy lancer un appel à tous les avancés, à tous les Ziguinchorois dimanche 15.

la stigmatisation dont est victime la Les cas Les avancés ne sont pas des rebelles. Rebelle Bouhamé, le premier rebelle au Sénégal s'appelle président Marissal. Sall. que lan mooy rebelle mooy koo xam autorité de fi nekk reconnaître autorité boobu nga da ngay de ci avons une définition rebelle définition rebelle boobu bu ngeen Vous avez rebelle ngeen dox ba le président Macky Sall Vous avez di ut rebelle pourquoi parce que le président Macky Sall reconnaître l'autorité du peuple sénégalais président Macky Sall lu neex Sénégal mu dagg ba mu gën a jox France jox États-Unis jox Union européenne Comme kooku bu dee reconnaître autorité président Macky Sall par ses options politique lu ci Sénégal mu jox maître impérialiste lu duuf ci Sénégal waaw mu jox ñi nga xam ne lay ba tax pour yonu yoonu Elamboor ñu goudronné neko ba tax amuñu pour yoonu Kagit e, ñu goudronné neko ba tax amuñu pour yoonu bu Tuba kunda ñu sur 19 villages à Enampor y a a ci de courant certainement ça va être à peu près la même chose à Adéa. Mais sur 25 villages dans la commune de Nyasia, il y ci am courant donc est cette rebelle Vous koo reconnaître jaamuwul autorité du c'est le président Macky donc stigmatisation vous nga xam dañ stigmatiser la Casamance complexe vous nga mom le président Macky Sall bëgg complexe complexé loo doomu Casamance ba ku jóg amoo beneen ambition lu sortir la Casamance de la pauvreté et du sous-développement sortir le Sénégal et l'Afrique de la pauvreté et du sous-développement ñu jiñ la le la pour lan nga am kersa dootoo wax nga am kersa ñoo wàññi wax ci loolu tamit dinañ ko fësal bu baax baax qui caravane de la xam ne le 17 juillet euh, terrain Jati incha Inch'Allah, ba loolu à ay tuto jàngal donc euh, lui, la ñu mais il dinañ leen pas et donc nous sommes venus ici aujourd'hui euh, nous intercoalition a eu Askanoui, Wallou, Sénégal pour informer l'opinion publique nationale et internationale que nous, intercoalition Yéhu Askanoui et Wallou, de nous sommes particulièrement inquiets de la situation de notre pays que nous ne reconnaissons plus. Ce pays que nous aimons tant et pour lequel nous sommes prêts à donner notre vie, nous ne le reconnaissons plus. Ce pays avait pour projet, et en a fait sa devise, un peuple, un but, une fois. Mais avec le président Macky c'est deux peuples, deux buts, deux fois. Un peuple de Sénégalais, mais détourneur de richesses du Sénégal devant l'éternel, mais qui ne sont jamais inquiétés, qui bénéficient même de promotion, et un autre peuple le pauvre petit peuple sénégalais, qui n'a rien, ou plutôt qui a peu, mais auquel on refuse même ce peu, auquel on arrache même ce peu, auquel on vole même ce peu. Un peuple de Sénégalais, voleur des deniers publics, à qui il n'arrive rien, et un autre peuple qui, passe qu'on le soupçonne, qui, parce qu'on l'espionne, est torturé, est tué, est assassiné, est handicapé à vie du fait des politiques du président Pakistan. Et donc, ce deux peuples, deux buts, deux fois, eh bien, si nous ne faisons pas attention, va mettre le feu à notre Sénégal. Les salauds ont mis le feu au paradis ivoirien, Chanter Alpha Blondie, si rien n'est fait. Les salauds vont mettre le feu à notre Sénégal que nous aimons tant. Et c'est l'occasion de nous incliner à nouveau devant la mémoire de notre regretté François Mancamé assassinés, tués dans des conditions atroces, dans des, des conditions violentes. Le droit international. Parce que rappelons-le, la torture fait partie des crimes imprescriptibles. Il n'y a jamais de prescription pour les crimes de torture. L'État du Sénégal est devenu un État voyou, un État bandit, qui fait preuve de banditisme d'État qui fait preuve de mensonge d'État, assassinant deux fois dans les citoyen, les assassinant physiquement parce qu'ils se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique, un Sénégal souverain, un Sénégal qui sort de la pauvreté dans une Afrique souveraine et unie. Voilà pourquoi ils sont assassinés. Ils sont tués après avoir été torturés. Voilà pourquoi il nous a été arraché notre regretté Idriss Goudjabi, notre regretté euh, Alexis Abdallah Diata de Bidjana, comme notre regretté François Mankam. Nos regrettés 14 martyrs de mars 2021. Que leur âme repose en paix, que notre Seigneur les accueille en son paradis. Mais également, nous avons une pensée forte à l'endroit de tous ces citoyens qui, depuis mars 2021, euh, euh, s'en sont sortis avec des blessures, certains prenant des handicaps lourds à jamais. Pour tout cela, il est important de dire, on ne vous oublie pas. Pour tout cela et nos familles, nous voulons dire plus jamais ça. Et c'est l'occasion encore d'interpeller les policiers comme Bara Sankaré, Sangaré, policier, commissaire euh, au commissaire central de Dakar. Je le répète, M. Bara Sangaré a perdu son épouse en 2020. Que son âme repose en paix, que notre Seigneur l'accueille en son paradis. Les policiers comme Bara Sangaré doivent savoir combien ça fait mal de perdre un conjoint ou une conjointe. Il le sait, parce que son épouse est morte en 2020. Eh bien, les policiers comme Bara Sangaré, qui appliquent des ordres manifestement illégaux, qui ne se gênent pas de torturer, eh bien, ils doivent connaître la douleur de Clémentine Colli, épouse de l'indial François Manka. Vous devez connaître la douleur des parents de Idriss Koudjani, la douleur des parents de Abdallah Ali la douleur de nos 14 martyrs, ou plutôt de leurs parents. C'est pourquoi ce 17 juillet, 17 comme le 17 juin passé, où le président néocolonial Macky Sall nous a interdit illégalement et illégitimement de marcher jusqu'à noyer dans des balles réelles nos manifestations et assassiner ainsi nos concitoyens ce 17 juillet-là nous allons faire une caravane à laquelle nous convions tous les cas avancés, tous les en Les enjeux aujourd'hui dépassent l'intercoalition Yéhu Askanoui ainsi que Wallou. C'est un enjeu national, c'est un enjeu populaire. Tous les citoyens sénégalais sont concernés. Les politiques du président Macky Sall n'épargnent personne ces politiques assassinent des Wolofs, assassinent des Toukouleux, assassinent des Mankai, assassinent des Mandjak, assassinent des Djola, assassinent des Sérères, assassinent des Mourites, assassinent des chrétiens, assassinent des Tidjans, mais volent le foncier de nos bois sacrés. ces politiques-là affectent tout le monde. Et donc nous sommes tous concernés. Et nous devons nous lever pour dire, nous ne voulons pas que le feu soit mis à notre Sénégal par les politiques irresponsables du président Macky qui pense, qui a tellement peur, qui est tellement terrorisé, qu'il assassine et torture à, tout tour de bras, qu'il assassine, torture et mutine à tour de bras. Donc nous allons marcher. Ça sera une caravane. Une caravane qui aura également la particularité d'être animée par un concert de casseroles nous invitons tout le monde à participer à cette caravane avec des casseroles, avec des marmites, pour faire le Tentamar le plus fort possible pour dire au président Macky Sall plus jamais ça. Pour dire au président Macky Sall d'Afadoy. Pour dire au président Macky Sall le Sénégal n'est pas un groupe WhatsApp duquel vous pouvez faire sortir comme vous voulez François Mankamou duquel vous pouvez faire sortir comme vous voulez Idrissa Goudiaby, duquel vous pouvez faire sortir comme vous voulez Alexis Abdallah Diatta. Le Sénégal n'est pas un jeu de l'UNO pour que vous mangiez les fils du Sénégal. Waouh Sénégal, monsieur le président Macky Sall, du l'UNO boo xam ne mën nga lekk Sénégal waaw Il est Le lekk di et c'est pour ça que nous demandons à tout le monde dimanche bii ah, je suis en français euh, merci du rappel nous vous invitons à venir massivement avec vos casseroles euh, la candidate Oulimata Sidibé viendra avec ses marmites je serai présent avec euh, mon bana Mandia je ne sais pas viendra avec son idée d'accord pour faire le maximum de tentamars pour montrer notre colère, et pour montrer surtout notre inquiétude, notre peur de voir notre Sénégal de stabilité, d'hospitalité disparaître du fait de l'irresponsabilité d'un président qui veut s'éterniser illégalement à la tête de notre pays. Donc euh, voilà ce que nous voulons dire et que donc nous allons emprunter le même itinéraire pour notre caravane que celui interdit par Macky Sall et son préfet le 17 juin passé. Le même itinéraire qui va commencer donc, Inch'Allah, au terrain Jatir, passer par la pharmacie Nema, etc., jusqu'au rond-point à l'issue de Et arriver, arriver à l'endroit où les balles lâchent du président Macky Sall ont assassiné notre Idriss Moudjabi, nous allons faire une halte à cet endroit pour faire une minute de silence et de prière. Nous ñu exiwee nag ci biir caravane ci fi nga ne je l'ai pas dit en wolof je l'ai dit en wolof bu ñu exiwee qui ci le bi nga qui est ci tali ci wetu atelier menuiserie métallique fi ñu regee fi ñu boomee fi Macky Sall boomee Idrissa Moudjabi, ci yoon bi dinañ fa taxaw balaa ñoo continuer jëm ci rond-point ak université jàngal dinañ taxaw ngir màggal ki nga xam ne mooy Idrissa Goudiaby waaye boole si ñoom François Mancabou ñoom itam Alexis Abdallah Diatta suñu mbokk yi ñu rey toll ci fukk ak ñeent euh, daaw euh, def une minute maanaam benn simili boo xam ne dañuy ñaan dañuy ñaan euh, dañuy ñaan ñoom Idrissa Goudiaby ñoom François Mancabou ak Euh, et nous continuerons à au rond-point à l'Institut Nous vous remercions de votre aimable attention. S'il y a des questions concernant cette information, cette information, Nous, allons, euh, nous, nous ferons un plaisir de répondre à ces questions-là. Mais je rappelle juste, l'actualité aujourd'hui, c'est la grande mobilisation que nous voulons préparer en mémoire de tous nos martyrs dont le dernier s'appelle François Mankam. Et tous ici, en Casamance, tous ici au Sénégal, tout le monde se pose la même question. Qui sera le prochain sur la liste macabre du président Macky Sall Amadi Djemé, Oui, Marius Sanya qui sera le prochain sur la liste macabre du président Macky Le maire de Adéane que voici, je ne le souhaite pas, ou une m'a Sidibé, à Alassane, Alassane euh, euh, qui est d'ailleurs malade et auquel nous souhaitons un prompt rétablissement. Reviens-nous vite, camarades et frères, Alassane Dédou, ainsi que tous les autres. Revenez-nous vite, on a besoin de vous, vous nous manquez. Qui sera le prochain journaliste Tout le monde se pose la même question. Parce que personne n'est à Nous sommes tous en sursis. Vous marchez à côté d'une manifestation, vous recevez une balle. Et on, dira qu'il a été tué dans la porte. Donc voilà en fait euh, l'actualité aujourd'hui et les questions, s'il vous plaît, nous vous demandons qu'elles portent sur cette actualité-là. Oui. Voilà, l'actualité aujourd'hui, on a appris que justement la contre-expertise se fera pour euh, Idrissa Votre réaction par rapport à tout cela sur les Nous confirmons effectivement enfin, après un mois de dilatoire, après un mois de conciliabule, dont le seul objectif était de fatiguer la famille de Idrissa Goudjabi, dont le seul objectif était de pousser cette famille pieuse musulmane de Idrissa Goudjabi à finalement abandonner et enterrer son fils sans expertise, après un mois de dilatoire, enfin, oui, nous confirmons que euh, la expertise doit se, faire, se faire lundi à Dakar. Et nous sommes en contact avec la famille pour voir comment euh, acheminer euh, le corps de notre regretté Idriss Goudjabi dans les meilleures conditions de signature à Dakar. nous pensons que c'est une victoire une victoire de l'Église Goudjabi d'abord. Une victoire de la famille de l'Église Goudjabi, auquel nous lançons aujourd'hui un hommage que nous félicitons, que nous saluons. Parce qu'il faut que dans ce pays-là, on, arrête de dire Baïnalen Akial. Le Baïnalen Akial, mais crée d'autres Idriss Goudjabi. Le Baïnalen Akial favorise d'autres François Mankabou. C'est vrai, nous sommes tous pieux. Mais pour Idriss Goudjabi, et pour éviter qu'il y ait d'autres qui nous devons. Excusez-moi, il y a une odeur de métro ou de, Connaissance. Voilà, excusez-moi. Hum, féliciter, saluer, rendre hommage à la famille de, de qui a fait preuve de force, de ténacité, d'abnégation, d'endurance pour que l'Union et vérité soient faites. Mais euh, euh, félicitations aussi, victoire des organisations des droits de l'homme. Et nous pensons particulièrement notamment à une organisation comme Amnesty Sénégal, à une organisation comme Vision citoyenne et Frappe Mais victoire aussi de la coalition euh, Yéli et Wallou. Nous rappelons que les leaders nationaux de Yéli Askanoui ont fait un déplacement spécial à Bidjola, à Direction, pour rencontrer les familles, leur exprimer toute leur solidarité et dire qu'elle réunira toutes les conditions, qu'elle réunira toutes les conditions, qu'elle réunira toutes les conditions tant que ces familles voudront se battre pour que lumière soit faite ils réuniront toutes, toutes les conditions pour aider les femmes. Mais victoire aussi euh, de, tous les Sénégalais, de tous les citoyens qui ont été choqués, scandalisés par ces drames et ces tragédies. Donc nous allons continuer à suivre l'affaire en espérant qu'il n'y aura aucun blocage qui sera opéré dans cette grande Et nous allons continuer à nous battre pour que, de la même manière qu'une date a été choisie Fixé pour la propre expertise de M. qu'il y ait une date pour la propre expertise de notre frère Alexis Abdallah Djaka. Voilà de politique. Bon, tellement Malik de la région. Ma question est relative à cette marche. On sait qu'on est en pleine campagne et les chances sont réduites pour que l'autorité préfectorale nous accorde cette marche en cas de refus, quelle sera votre En réalité, en réalité, mais en réalité, c'est une caravane que nous En réalité, c'est une activité électorale que nous faisons. Donc nous n'avons absolument aucune autorisation à demander au préfet, encore que dans ce pays-là, nous sommes dans un, dans un, système déclaratif, dans un régime d'information de l'autorité. Ce n'est pas une marche que nous organisons, c'est notre caravane que nous avons décidé ce jour-là. Parce que nous aurions pu dire, ce jour-là, nous faisons journée morte. Nous ne faisons pas d'activité ce jour-là. Dans la mémoire de tout cela, nous avons dit que nous allons faire une activité dédiée à Idriss Goudjabi. Nous allons faire ce 17 juillet une activité électorale dédiée à François Mankani. Donc, nous ne déposons même pas de lettre d'information à la préfecture. Donc, bah, si, vous ne, demandez pas euh, l'avis de la préfecture, si vous n'informez pas plutôt la préfecture, bah, vous n'attendez même pas un oui ou un non. Donc, c'est une activité électorale. Hier, nous sommes allés à un bah, nous n'avons pas eu besoin euh, d'informer le préfet de Ziguinchor que dans le cadre de notre activité, nous allons à encore Ces derniers jours, nous sommes allés au quai de pêche, mais nous n'avons pas dit au préfet que nous allions au, au quai de pêche rencontrer nos pauvres femmes transformées qui n'arrivent pas à trouver du poisson pour en faire du ou du ketchup, du poisson. Donc voilà en fait euh, pour votre information. Et donc nous tenons à le dire fortement. C'est notre caravane, notre activité du, 17, du dimanche 17 juillet. Notre activité électorale, ça sera une caravane de casseroles, une caravane euh, en mémoire et en hommage à nos martyrs à nous mutiler, à nous blesser, à nous traumatiser. Pour dire plus jamais ça, mais également contre la stigmatisation de la Casamance par le président Macky Sall. Oui, Dakar a un problème avec le président Macky Sall. Oui, Kédougou, dont l'or passe par-dessus la tête des Kedougou est en l'une des régions les plus pauvres du Sénégal, Kédougou a un problème avec le président Macky Madame qui a du phosphate et qui ne voit même pas les retombées de ce phosphate. Régulièrement à Matam, vous entendez crise alimentaire, bon alimentaire. Matam a un problème avec le président Macky Mais nous également, Casamance, nous avons un problème avec le président Macky Parce qu'apparemment, oui, le président Macky veut complexer les Casamancés. Le président Macky stigmatise les Casamancés. Ailleurs, on parlerait de racisme anti-musulman pour montrer comment l'État français, oui, a une attitude envers les musulmans de France, qui est une attitude, mais qui est volé en France du racisme anti-musulman. Ici, on parlerait de casamophobie du président Macky La casamophobie la peur de la casamance, le mépris de la casamance. Oui, rappelons-nous, en 2019, qui disait si vous voulez être intégré dans les projets de développement, si la Casamance veut être intégrée dans les projets de développement, dans mes projets de développement, moi, président Macky mais il faudra voter pour moi. C'est de la casamophobie. Ce mot a été créé, oui, pour qualifier la posture du président Macky Sall, une casamophobie. Et donc le 17 juillet, notre activité de campagne, ce sera une caravane pour dénoncer cette casamophobie. Donc tout le monde est victime, même les c'est de la paix. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions S'il n'y en a pas, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure que la marche sera dédiée euh, à la mémoire de la caravane. La caravane. Ah, ah, ah, ah. Euh, il faut utiliser les bons mots. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oui, vous avez dit que euh, C'est vous aussi qui l'avez dit. Hein. Oui, vous l'avez dit. Moi, si dommage. Donc, c'est Caravan. Effectivement. J'ai repris, j'ai repris effectivement euh, C'est ça. la caravane, déjà marche. Donc, c'est pas un mot Donc, vous l'avez dit, que est euh, réservé aux familles de ces, victimes Est-ce qu'elles sont victimes Écoutez, il y a des membres de familles de victimes qui sont déjà membres euh, de l'intercoalition, eu Askanbi Wandi. Tout le monde est invité. Les torturés par la gendarmerie de Nema sont invités. Ceux qui, en entrant dans la prison de Zigachor, ont été faits même dans la prison de Zigachor, c'est inhumain et dégradant. On leur a demandé de faire des pompes tout nus en entrant dans la prison de Zigachor. Ils sont invités pour dire, mais voilà dans ce que Dieu a créé dans ce que notre Seigneur a créé il n'y a rien de plus grand que l'être humain l'être humain est sacré et donc nous disons non à la violation du caractère sacré de l'être humain au Sénégal par le président Macky par certains policiers, par certains gendarmes. Donc oui, tout le monde est invité et euh, nous verrons ceux qui le peuvent comment les invités à la Mais Bien sûr, nous comprenons que certaines familles sont encore dans le deuil et qu'il est inadapté, voire indécent, de les conduire à ces manifestations. Laissons-les euh, euh de faire leur deuil et nous, nous allons manifester pour toutes ces familles, pour euh, tous nos morts, pour tous nos frères et sœurs. S'il n'y a pas d'autres questions, nous remercions, vos organes de presse, vous journalistes, euh, qui est venu massivement à cette conférence de presse. Nous vous remercions à vous qui nous regardez en direct sur les différents réseaux sociaux. Et donc, rendez-vous dimanche 17 juillet à, au terrain Jatir, Inch'Allah, pour une caravane à partir de 15h00, dimanche 17 juillet, pour une caravane à la mémoire de nos martyrs, pour une caravane en hommage à nos blessés et mutilés, mais également pour une caravane contre la casamanphobie du président Macky Sall. Je vous Je vous remercie.